L'artiste s'exprime, reçoit l'artiste Limandja qui n'est plus à présenter. Et sur ce premier temps, nous allons remettre toutes les conditions pour parler du parcours en question du combattant. Tout le monde connaît Limandja. on doit euh, peut-être définir un certain nombre de choses ben euh, pour permettre à tes fans de comprendre d'où vient Limandja, c'est important. il y a certainement aussi beaucoup qui te kiffent, qui kiffent ta musique. Ils ne savent pas qui tu es, ton nom et tout ce qui va avec. Commençons par l'état civil de l'artiste. Abdel Nasser Dimanja. Abdel Nasser Dimanja. <laughs> Alors, Abdel Nasser Dimanja, il est en quelle année euh, dans les années 80, voilà. Dans les années 80. Il est indécis, il ne précise jamais. <laughs> dans les années 80, c'est tout ce qu'il peut dire sur l'émission. Un 27G. Un 27G. Un et dans les années 80. Mhm. Ça veut dire que tu ne vas pas me préciser l'année. Ben, euh, ça va quoi. Ça va, mhm. il n'y a pas de souci. Alors, aujourd'hui, on va parler un peu de ton parcours. On va parler un peu de tout ce que tu as mené dans euh, cette vie artistique. On sait qu'aujourd'hui, euh, tout le monde parle de toi. On sait qu'aujourd'hui, tu n'es plus à présenter. Le Niger te kiffe. Mais à travers déjà l'artiste s'exprime, cette rubrique de l'émission Tous à la Fada consacrée à la jeunesse nigérienne, nous sommes kiffés à travers 46 radios partenaires. Nous sommes kiffés à travers 6 télévisions. Limandia. L'aventure a commencé en quelle année oh, Dans les années 2001. 2001 oui, un truc comme ça, 2001-2002, voilà. 2001-2002 Voilà, c'était à Zender. À Zender, que tout a commencé. 2001-2002, ça fait pratiquement 20 euh, ans que tu es dans l'arène musicale. Une, carrière comme ça. Une carrière de malade. Mais quand est-ce que tu t'es révélé au grand public Et euh, c'était en 2003. 2003 hein. avec, Oui, oui, oui. Avec euh? Avec mon premier son que j'ai enregistré, c'était à au grand public de Zender, je veux dire. oui, en 2000... Là, j'ai euh? fait mon apparition. 2003. 2003. Voilà, Super. Alors, tu te rappelles un peu de l'année euh, où tu es devenu Limandja en carrière solo, sans l'autre Tu te rappelles un peu oh... Bon, un peu oui, un peu oui. C'était les années où tout le monde était en groupe, en groupe, tu vois, non Ok. Et moi, je me dis, je me dit, là, je dois commencer seul bon, il n'y a pas de souci, je vais commencer parce que si je commence pas, je vais arrêter le rap et la musique là, je vais pas arrêter. Je vais continuer jusqu'à devenir un putain de milliardaire. You Donc je me suis dit, continue maman. J'ai continué seul, seul, seul. J'ai fait jusqu'à en 2015, un truc comme ça. Il y a eu un concours qui m'a un peu boosté jusque-là. Donc euh, on est là en 2021. Tout simplement, on va parler bien évidemment euh, de ces, de, de, de, parce que tu as été, on l'a dit en semaine, tu as été pruné à moult reprises Parlons un peu de ces compétitions, parlons un peu de tes trophées, parlons un peu de ce que la musique t'a donné. c'est important. Oui, bien sûr, parce que euh, bah, la musique là au Niger, je me dis que ça va, hein, ça paye, ça m'a un peu payé. Ok. Ça a commencé à me payer mhm. parce que les premiers millions, les premiers beaucoup de millions, <laughs> c'est moi qui les beaucoup ai, les premiers beaucoup de millions, je les ai empochés, je les ai mis, je les ai ouais, Ah mais je sens les yotas, hein, je sens le yotas quand on regarde du pied jusqu'à la tête, on sent déjà que tu brilles, hein, on sent déjà que ça. Après, Après on a continué avec les, contrats, les tournées et tout et tout, et jusqu'à ça paye, ça paye, merci Dieu merci. L'Oréal Mourir Niger, mesdames et messieurs, nous allons parler de cette compétition musicale organisée par Etel Niger. parle un cette compétition. Tu as une fois été primé euh, euh, par, par, le Niger. Le Niger t'a choisi comme, eh bien évidemment, meilleur artiste. C'était en quelle année C'était en 2015. 2015. C'est un truc qui s'est passé euh, tu vois, il y a eu des, éditions, mais celle de 2015. C'était un peu spécial. Bien, bien gravé, tu vois. Parce que c'était en direct avec tout le monde. Bien sûr. Tout le monde pouvait euh, choisir de lui-même, par lui-même. Bien sûr. Donc ça veut dire que le public était là en face, tout le monde attendait. Et c'était. une première fois que euh, tel ou quelque chose organise un truc qui a pris, qui a bien pris. Bien sûr. Et après, ils ont arrêté. Ok, d'accord. Alors, pour le rap, pourquoi euh, oh, Je sais pas, c'est peut-être le rap qui m'a choisi. Hein. Donc c'est le rap qui t'a choisi ben, Je me dis que c'est ça parce que je jamais compris pourquoi j'ai commencé à faire la musique. Nous avons besoin de la vision de l'artiste en ce qui concerne le sujet musical de rap. Comment est-ce que à voit le rap au Niger Et tu vois, euh, ça a commencé bien, hein c'est devenu au milieu. Hein un peu les petites querelles, les petites clashes et tout ça là. C'est vrai, dans le game, on a besoin de ça. Mais à un moment donné, il faut arrêter et se dire que maintenant, c'est le Niger qu'il faut qu'il avance dans la musique. tout simplement. Nous, c'est de ça qu'on a besoin. Ben voilà. Tout simplement. Parce que même moi, avant, j'étais là, tu me dis, euh, Flock, je te dit va te faire foutre, dégage, j'ai pas besoin de toi, tu vois. Mais là, j'ai compris que maintenant, c'est ça pour euh, le pays, tu vois. Limanja, nous sommes pratiquement à la fin de l'artiste s'exprime, du premier angle sur l'émission Franco Aoussa. L'instant est sur la ligne. Et on voudrait que tu fasses, que tu t'exprimes à l'endroit des évidemment de tous les femmes, à l'endroit de tous les artistes, pour qu'ensemble nous puissions changer les choses. Oui, ok. Donc, euh, je me dis que si aujourd'hui les artistes se réunissent ensemble, tous ensemble, pour faire euh, au, au moins des compilations, exemple, toi, moi qui me regarde les artistes, je veux dire, on se réunit pour faire un bon son, je me dis que les fans vont venir, les fans de chaque artiste va venir. Exemple MDM, Safia, Hakim, euh, Barakina et tous les autres, et Abel, et etc. Tous ceux même à qui j'ai pas dit leur nom, ça va quoi, big up, you Donc, il faut qu'on réveille la musique tous ensemble. L'artiste s'exprime. C'était Dimanja sur l'artiste s'exprime. Et